équipes kon mbokk yi euh, ñu wax leen ni ñu ngi fii ci hippodrome Yorma Codou final bi nga xamante ne moo war am ci diggante euh, ñaari euh, classe yi nga xamante ne finalu interclasse yéen a ngi gis noonu ñooñu di mystique sànni si ni picc ngir gagné li nga xamante ne mooy final bi mu nekk final boo xam ne kon day wane ne ñaari équipe yëpp bëgg match bi gis ngeen noonu regroupement wu ñaari équipe yi ne di xalaat ni ñuy def ngir rek teg ay amal ay stratégie pour gagné match bi

euh, d'un moment à l'autre donc le début de ce, de ce match euh, qui sera amplement expliqué ici donc à l'Institut de Soto et nous, nous, donc voyons nous voyons, voyez donc euh, les professeurs les deux capitaines des deux équipes mais également le parrain M. Gourguiba moo taxaw noonu ci euh, coup d'envoi voilà M. Gourguiba qui a donné donc le coup d'envoi de ce match euh, dans une opposé ces deux équipes l'équipe française l'équipe la finale qui a opposé la classe de 5e à, la classe donc de 3e, le parrain que vous voyez, vous qui a déjà donné le coup d'envoi et qui est en train de sortir pour rejoindre donc les gradins. Voilà, M. Bourguiba accompagné donc euh, de, et bleu. Donc, nous sommes en train de prendre le repère sur le terrain. Voilà. Euh, là un match David contra Goliath, quem que ia contar? capitaine. Voilà qui contrôle. Pas du faire. Le capitaine pour le numéro 4. Le numéro 4. Voilà. Ils vont garder le ballon la carte de sécurité. Apparemment ils sont bien supportés. Hein. Ils ont euh, une très grande présence donc, de supporters. Voilà. la carte de 5e qui garde toujours le ballon. En bleu, récupéré maintenant par euh, les élèves de 3e. Voilà, ils garde le ballon. Non, est

donc directement sur la tête donc, le euh, joueur de la carte de 5 il dégage pas. Voilà, mais euh, donc dégagement à Chanel également. Il y a le doute sur le message numéro 10 et qui a fait rapidement. Voilà. toujours garder le ballon en défense pour le dégager. Voilà. Et euh, il a été déposé du ballon. c'est une faute. Une faute donc euh, des élèves de la classe de 3e. Et ce sera euh, maintenant pour les élèves de 5e qui vont, jouer le ballon. L'ambiance, comme vous entendez, classe, euh, je rappelle, euh, la groupe, euh, donc, cette école qui est fait, on a vraiment une forte présence donc, les élèves qui sont dans les gradins de mettre l'ambiance. Après le sabbat d'hier, maintenant, place au sport. le la touche, donc, le la touche,

donc 20 euh, minutes de jouer ici au champ des courses. Euh, dans ce match qui va poser donc euh, la clairvoyance, mais aussi le fair play donc depuis le début du tournoi, le fair play apprécié par les deux équipes avant de les appeler à être beaucoup plus motivés. Le message a été très clair et bien perçu. Voilà, pour le troisième, nous avons nous couvrons qui des courses. Voilà, il y a eu de boo de numéro 4 mon mon l'organisation euh, qu'il y a donc euh, ici dans cette euh, équipe de 4 il y a une très bonne organisation défensive c'est qu'il a valeur d'être présente ici donc cette classe en finale par la c'est il faut que tout continue dans la sportivité parce que c'est le cercle de qui gagne dans tout ça. Voilà, je vous remercie. Euh, voilà, amis téléspectateurs, euh, nous rappelons que voilà, nous sommes en deuxième finale et la classe donc euh, de euh, troisième mot au non Balbi, toujours 0-0 en première période. Vous avez vu donc que le match a été amplement disputé, mais euh, on n'a pas vu une équipe qui a pris euh, donc euh, l'ascendant donc dans ce match-là entre cette, classe de donc e et cette sélection de la classe des classes de 5e. toujours une fois, ni yéen a qui finale, ou interclasse journée culturelle Sembu R101 voilà Fiti ci hippodrome de du Diop voilà élèves 5e ligne gis ils sont en bleu en bleu vêtu euh, donc qui sont en train donc euh, de jouer nous rappelons que de, part et d'autre il y a deux occasions euh, donc de jouer mais aucune des deux équipes donc aucune des deux équipes pardon n'a réussi à euh, donc remporter son duel face euh, aux deux gardiens qui ont du métier, hein, je le rappelle, surtout le gardien donc euh, de la sélection des 4 bi Binga Khamantane, Boko boo Mom ay am donc devant donc les expérimentés attaquants donc de la casse donc de troisième Nous fàttali le troisième ñoo solo en blanc 5 cinquième ñoo solo en bleu match bi ami téléspectateur mi nga il peut ci hippodrome mon code 20 minutes donc euh, pour euh, euh, donc la classe donc de e pour essayer donc de remporter ce match-là. Voilà les classes de, 3e donc ils sont en train de mener une contre-attaque mais récupérer voilà c'est une faute. Et encore 20 minutes aussi pour donc les, la sélection donc des e pour remporter ce match-là. Donc on est donc à la première minute et jusque là le match est donc à repris comme euh, ça a terminé. Toujours euh, donc euh, le ballon qui fait des va-et-vient donc entre d'un cas à l'autre. Et toujours donc les attaquants qui ne parviennent pas à s'exprimer, voilà. Mais comme j'ai dit, hein, on sent aussi qu'il y a du bon jeu, on sent de très bons jours aussi, de très bons jours que l'on peut extirper des deux côtés. Donc euh, ce qui prouve que aussi euh, il y a de très beaux jours donc, euh, dans les écoles. Certainement aussi, je le disais tout à l'heure, c'est à cause du mouvement Nevetan. Hein. c'est à cause du mouvement Nevetan. Voilà, dégagement donc du Doussard en bleu. Le numéro 15 qui n'a pas pu arrêter, mais c'est le numéro 20 qui reçoit le ballon. Voilà, il va se tourner sur lui-même, il garde toujours le ballon. Voilà, le numéro 20 il va donc faire un tir, duel du gardien, voilà, il récupère. Ah, le gardien qui euh, récupère ce ballon avant de refiler au numéro 14 qui lui dit de jouer rapidement. Voilà, le gardien donc euh, des classes de 5e. C'est une faute. Une faute donc On va jouer le gardien de la case de 5e. <laughs> voilà. Jour troisième bi ème na bal bi la voilà Maintenant nous donc dégagement là récupéré ah, la passe en profondeur a été manquée voilà mais il se bat il récupère le ballon oh là là mais tous les joueurs donc de de e sont revenus bah, cinquième ko dans le centré centré il protège une balle pour gardien oui. c'est le gardien qui récupère et qui va se dégager mais ça n'a pas été bien euh, dégagé et va troisième on mel ni le foot dafa mel mener faute lañ sifflé pour voir troisième faire un indirect parce que gardien bi un gap balbi. arbitre arbitre en tout cas match bi ni pour le moment gisaguma ci vainqueur si ce n'est le tir au but j'ai pas encore vu de vainqueur voilà c'est un coup franc indirect apparemment estime euh, l'arbitre de ce match arbitre bi fané un coup franc indirect là. voilà coup indirect donc euh, estime l'arbitre voilà voilà, troisième, nous avons couvrir indirect devant les buts donc, euh, de cinquième. Nous le voilà, match commencé, il Nono. Donc euh, les présentations des deux équipes, une nationale, le principal que nous, connaissons nous, cessons de remercier qui a mis les formes euh, pour rendre vraiment cette fête belle. voilà retour au match, le dessin numéro 7, apparemment qui est devant la ballon, c'est lui qui va frapper, mais... Il y a le mur euh, qui a été euh, donc placé par le gardien de 5e. En tout cas, il y a le désordre euh, devant le but, les joueurs qui sont en train de clamer. Que va-t-il se passer Dino Dougou ou Dougou Dino Dougou Dougou En tout cas, il y a le joueur au troisième, il y a box out numéro 10 avec numéro 7. Numéro 10, 7 du Modour. Contré. Voilà, et directement le gardien qui récupère le ballon. Voilà, ils ont eu de la chance. Le gardien a pris le ballon en deux temps. Gardien tenu le nez de Fagagno. Voilà. Gardien vient de Fagagno. Donc, tenu le gagné. Il se tord de douleur. Blessé à la main, certainement une mauvaise prise euh, du ballon. Là, il est venu donc. Euh, assisté par ses coéquipiers. Ah là là, une finale d'interclasse. Une finale interclasse. jusqu'à présent kon góol baa ngay tëdd noonu ci suuf ba léegi góol baa nga euh, ca suuf tëdd ñu ngi ko wër waaw jugaat na tant mieux donc euh, jugaat na waaw wël bi jugaat ma ngay sol ay gaam waaw nawetaan gars yi lu ñu sànni ci camp yi dawaat génn voilà loolu boo gisee xam ni nawetaan mooy wax voilà ma ngi noonu moo demoon ca camp yi sànni ji ab mbir ma ngi noonu di delluwaat ci rond central bi mais le jeu va reprendre voilà le jeu va reprendre donc euh, de l'autre côté. donc le gardien Mironou, moi, je le gardien voilà une équipe euh, qui a gagné également en bas vous le voyez au niveau de la main courante qui sont en train de jubiler avec leur trophée Là, certainement la petite catégorie, l'équipe vainqueur de la troisième place. Et le gardien donc euh, qui se dégage, mal dégagé, donc qui ne s'est pas apparemment remis de sa blessure. Récupéré par les troisièmes. Voilà que estime l'arbitre. Arrêt de jeu encore. Voilà, donc euh, l'arbitre estime que le ballon doit appartenir euh, aux élèves de cinquième. Voilà, donc tournoi interclasse final donc qui doit opposer qui oppose actuellement même, je vais dire, euh, la classe, mais la sélection de la classe de, des quatrièmes contre la classe de troisième. Toujours 0-0, nous sommes euh, à la donc, 8e minute de jeu, et toujours 0-0, 8 minute de, la deuxième période bien sûr. Nous sommes à la deuxième mi-temps, à la 8e minute, donc 20 minutes en première période et euh, donc 20 minutes en deuxième période. Et euh, toujours euh, le jeu qui est haché. Aucune des deux équipes ne veut perdre donc ce match-là. Voilà, récupéré. Ils vont jouer en profondeur le numéro donc, 7 euh, de Sarre, donc du, euh, des 5e qui perd le ballon dégagé par les élèves de 3e en profondeur. Il rallonge pour le jour face au gardien. Et le but, oh quel magnifique but Donc des élèves de 3e. Ah là là, magnifique but, un but à zéro, Magnifique but, les élèves de 3 donc euh, qui ouvrent le score à la 29e minute, disons à la deuxième période, mais à la 9e euh, minute, vous les voyez là, jubilé. Les élèves donc de 3e, but marqué par le dossard numéro 7, le capitaine. Voilà, un très beau but, Pisnet. Voilà, une euh, devant le gardien après une passe en profondeur. Ah, c'est un très beau but. Ils sont en train de vraiment jubiler. Voilà, ils euh, jubilent devant les, supporters. Voilà, très beau but donc euh, du dossard numéro 20. C'est le numéro 20 qui a marqué et qui prend tout son temps pour vraiment jubiler, pour fêter ce, ce but un très beau but digne de Cristiano Ronaldo ou d'un Messi. Voilà. 1-0, donc euh, les élèves donc de 5e euh, qui vont essayer de refaire le retard euh, très bientôt. On a donc des élèves de 3e, nous dégagé. dégager. 1-0, Fiti Hippodrome Yaoumoko de Entre match Binga Khamantane, Mongi opposé, les élèves de 3e euh, donc, élèves de quatrième finale euh, interclasse. Voilà, le ballon a été récupéré. Le gardien, euh, donc l'arbitre estime que c'est une faute. Voilà, donc faute estime monsieur l'arbitre. Donc sur le dossard numéro 20, donc des troisièmes. donc nous fàttali ni ba léegi même même dossard numéro 20 bon moo but l'unique but de ce match donc euh, de ce match qui oppose euh, les élèves de la sélection de 4e aux élèves de la classe de 3e. Euh, a une fête d'interclasse euh, vraiment très bien disputée avec beaucoup de fair play malgré quelques désagréments notés après le but donc de la classe de 3e. mais tout est rentré dans l'ordre et actuellement nous jouons donc la 35 minutes de jeu, rien que 10 minutes euh, à jouer avant la fin du match. donc euh, euh, les élèves yi nga est quatrième donc 10 minutes pour refaire le retard je vois que a que ngi def pour égaliser voilà la preuve nous dormons directement entre donc les mains du gardien voilà directement le gardien qui se saisit de ce ballon le gardien de troisième e Fintol Ninak, de troisième euh, il commence à tuer le temps à vraiment euh, grignoter sur le temps de jeu pour euh, remporter ce match là parce que malin il y a de l'insouciance du côté des élèves de 4e qui jouent vraiment leur jeu sans pour autant se soucier donc de ce désavantage là dégagement donc du gardien voilà, euh, voilà, et ce sont les élèves de, 5e qui euh, récupèrent le ballon, dégageant encore. Le jeu très haché, euh, la profondeur, mais le ballon a été donc dégagé par le maillot numéro 4 des classes de 4e en touche. Beauté en touche, donc récupéré par le buteur du jour, le dossard numéro 20 de, des classes de 3e. Voilà, qui va effectuer cette touche, mais apparemment il y a un changement changement et voilà c'est le numéro 10 qui va le numéro 18 voilà qui doit sortir euh, pour céder sa place au dossard numéro 11 et l'arbitre euh, qui lui dit de sortir de l'autre côté pour ne pas tuer le temps voilà il est remplacé par euh, le dossard numéro 15 qui vient de se positionner sur le terrain et la touche est effectuée voilà toujours les classes de troisième et le ballon qui sort en 6 mètres le ballon est sorti en 6 mètres en tout cas wa quatrième a un temps pour euh, euh, li nga temps quoi li ñu rapidement jouer négocier avec le temps et euh, rapidement amener le ballon devant vous voyez l'erreur Mingi dégagé mais de ko joxat directement classe de troisième heureusement que l'entrejeu récupère le ballon et voilà une faute que récupère donc les élèves de 4 e voilà euh, il va le récupérer le milieu de terrain numéro 12 numéro 12 le milieu de Balbi, de profondeur pour le numéro 10 face au gardien il tire oh là là le gardien qui intervient le gardien qui intervient et le ballon sort en le ballon qui sort en 6 mètres hein. non c'est un corner c'est un corner puisque euh, c'est le gardien même qui a. Voilà, mais l'arbitre euh, estime que c'est un, 6 mètres. Dégagement au 5 mètres 50, estime monsieur l'arbitre. Mais moi, j'aurais vu un corner. Voilà, voilà. Finalement, il se décide euh, que c'est un corner. Voilà. Parce que c'est le gardien de but qui est intervenu pour barrer le ballon. Donc, barrer la route au ballon qui se dirigeait droit vers ses buts. Voilà, c'est un corner. Donc euh, l'arbitre de tous qui a signalé euh, l'arbitre central que c'est un corner. Donc corner euh, des élèves de 4e. Toujours un but à zéro. Vont-ils égaliser avec ce corner de la gauche vers la droite, centré pour le numéro 6 qui oriente le ballon, dégagé. Voilà, et c'est très mal joué. Et c'est le contre-attaque pour les élèves de 3e. Virevoltant le numéro 9, mais qui fait une mauvaise passe récupérée. Voilà, et c'est une touche euh, pour les élèves de quatrième. Touche donc pour les élèves de quatrième. Pour le numéro 2, rapidement joué, qui jongle, qui euh, percute sur le flanc gauche, euh, qui percute, qui fait une passe, qui demande encore le ballon, mais il s'est enfermé. Voilà le numéro 10, qui est très bien, hein, qui tire, oh, ça passe au-dessus un très bon joueur, le capitaine et numéro 10 donc, euh, des élèves de 4e euh, euh, que vous apercevez ici. Voilà, qui joue très bien. Il a éliminé du pied gauche pour enchaîner par une frappe. Mais le ballon est passé au-dessus des buts. C'est Sherba, hein, Sherba, voilà. Sherba qui a tiré, voilà, qui nous a montré tout son talent, le sa numéro 10, Sherba. C'est le dégagement donc du gardien voilà, qui se dégage loin devant, voilà, dans l'entrejeu, récupéré donc par les élèves de quatrième, pas pour longtemps. Voilà, ils vont le garder, ils vont le garder, que vont-ils faire C'est euh, très lent, le ballon qui revient au dossard numéro 12, voilà, il perd le ballon, contre-attaque donc, euh, rapidement joué le contre, et non, malheureusement, le gardien se saisit du ballon. Et il dégage rapidement le gardien qui dégage rapidement ce ballon. Et toujours Cherka. Cherka qui percute encore. Voilà, qui élimine son adversaire. La passe en profondeur. Et voilà, il double le cadre. Quelle belle passe de Cherba. Oh, la passe extérieure de Cherba qui est en train de régaler le terrain. mais malheureusement, sa passe euh, millimétrée n'a pas été concrétisée. Voilà, Cherba qui est vraiment Christ est allé euh, sur le terrain. Oh là là, je pense que le match est terminé et ce sont les élèves de 3e euh, qui remportent euh, cette finale. Voilà. Alors, on vous remercie. Ah bon, on va donner la parole, n'est-ce pas, au parrain Mousseba. am jéem a ko. jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi waa CMR asalaamaaleykum les élèves ak euh, ak principal ak monsieur Baray l'encadreur ak sama jigéen ñi ñëw tey jàppale ma ci parrainage final bi tey maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ci ñëpp parce que boo xoolee CMR 100 ñu ciy sonn dafa nekk CEM boo xamante ne presque. nekkul en construction dañoo jël sembi rek indi ko ci benn case te case boobu dañoo am problème fuy jàngalekat yi di toog di sonn particulièrement da dangay da ngay dugg ci école bi sax da ngay defe ne yow leneen moo fi am ba doo mën a toog sax féexlu moo tax ñuy sonn ci ñoom baraay di sonn ci enseignants yi di sonn ci élèves yi ñu ngi ñaan nag yàlla def jàmm ñu construire ñu école bi année prochaine ñu mën a jàngee sunu école ñu ngi koy ñaan yàlla. yàlla may ñu ko 2024 bi ñu dugg suñu école waaw ñu dugg suñu école maa ngi sant nag monsieur Baraay mii sonn na ci élèves yi ku sonn ci élèves yi la waaw ñëpp ñu ngi sonn ci élèves mais moom presque moom mooy maanaam papay élèves yi la ñuy wax suba ba léegi am na ku toog ak man fii mu ne ma Baraay dafa mérité leneen lu dafa mérité lu bari ñu dollil ku ko parce que xoolal suba ba léegi booy bu ñu xeexee mooy wàcc dem mooy def lépp. démb bi manifestation bi amee fii xeex beeg lépp monsieur Baraay la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi leen di ñaanal nag comme final bi waa troisième jël nañ ko nañ ñu ñëw ñu jox leen seen trophée et fête bi continuer école. ok merci. voilà waa troisième yi noonu kon ñoo gagné seen trophée ñoo ngi noonu di dem. Voilà, et que la fête soit belle. Les élèves donc euh, de 3e R101 qui remportent cette finale euh, interclasse. Merci à la, au principal, merci M. Braille et également Gourgiba euh, pour l'accompagnement et la confiance. Nous vous donnons rendez-vous donc très prochainement pour une autre finale, un autre tournoi ou bien même pourquoi pas la lutte puisque la TV est là pour vous accompagner dans ces grands moments.